Merci d'être au chevet des enfants depuis 2018. Madame le maire, merci d'être une mère, mère pour Dakar. Vous êtes une mère comme celle que nous avons chez nous, mais vous êtes une mère pour tous ces enfants parce que depuis lors, vous ne ménagez aucun effort sur tout ce qui concerne la protection de l'enfant. Mille fois merci à vous, Madame le maire. Merci à tous ces conseillers qui ont bien voulu se déplacer pour venir à cette fête que madame le maire a bien voulu dédier aux enfants fête madame le maire le 31 décembre du pour kon discours bi mon remercier village SOS merci à vous Cœur Chalei, merci à vous SAMU social merci à vous association des jeunes handicapés merci à vous ak ñan ak ñan des na de enfant du centre Esper bu sama xarit Augustin merci à vous tous d'avoir fait le déplacement ak ñan laa fàtte waa merci à vous le centre yakar merci beaucoup à vous jërë ngeen jëf déplacement bi ci xale madame le maire nena. tay day fe ak yéen day way ak yéen ngeen xam bi yen ci ngeen bok mu feetu ak yéen ba pare door a dem guddi feetu ak mag ñi tàccu leen loolu waaye loolu madame le maire rek moo ko mën ndax 31 dañuy fàtte xale yi ah 31 mag ñi ñooy baal waaye moom nee na damay baal ak xale yi ba mu neex après nag ma dem baal ak mag ñi kon moom am na fu mu teg xale yi kon jërëjëf suñu yaay sunu maire yàlla na fi yàgg lool te wér yàlla na la yàlla def ndam. yalna la yalla defal ndam ba nga gëna a xalé yi ndax liñ fi defal xalé yi mësta am nañ ko waxté dé kon jërëjëf jërëjëf merci à tous bonjour tout le monde bonjour c'est timide alors mangi ngi nuyu ñëpp léegi dama bëgg a commencer euh, ana wa sami social sami social tàccu leen ma dégg leen SOS village SOS bonjour Wa centre espère Anangem. Nyongini, voilà les enfants de l'association des jeunes diplômés handicapés bravo vous êtes là les enfants de l'école préscolaire Kher ngi les enfants de l'AEMO de Dakar Assalamu ana waa kër yaakaar ah man nag parce que nak tey la 31 décembre Le 31 décembre rek damaa bëgg ñépp di ree reetaan rek laa bëgg je kenn ku triste c'est le dernier jour de l'année aujourd'hui c'est le 31 décembre avant d'aller fêter avec les adultes, il faut d'abord fêter avec les enfants, les enfants qui sont l'avenir du monde. Je ne veux pas voir d'enfants tristes. Les enfants doivent être heureux, sains et saufs, comme on dit, en pleine santé, pour pouvoir demain diriger le pays. Taïti Souba, hôpital Dantec yóbbuloon xale yu feebar yi xam nga seen seen moroom yi am na ci ñu feebar ñu ngi hôpital feete wuñ Noël naruñ feete 31 décembre ñu ne kon nañ dem seeti leen yóbbu leen ay cadeau waxtaan ak ñoom donc loolu lañ def tey ci suba ñu ne nag ngoon gi après midi bi yéen lañ koy réserver surtout yeen ñi ngeen xam ne dangeen ngeen nekk ci ay structure d'accueil ah non niveau de la ville, donc, chers enfants, chers parents d'élèves, notre engagement au dernier sommet de Africité en 2018, c'était de travailler à faire une véritable politique de protection des enfants. C'est pourquoi nous avons décidé de construire la maison municipale de l'enfant. Et là où nous sommes aujourd'hui, au centre socioculturel de Sacré-Cœur, les bureaux sont déjà là en place pour travailler à la réalisation de cette maison de l'enfant. Ce que nous avons fait donc de septembre à décembre, nous avons déjà octroyé des subventions à travers le projet de cette maison municipale d'une valeur de 19 150 000 francs CFA. On donne aussi des prises en charge aux enfants malades défavorisés, mais aussi à toutes les personnes qui en ont besoin pour aller se faire soigner dans les hôpitaux publics. C'est pourquoi nous nous sommes dit aujourd'hui, il est bon de venir communiquer avec vous, avec vos parents, mais surtout fêter cette fin d'année et prier pour que l'année prochaine soit une année de bonheur pour tout le monde. Une année de paix d'abord, une année de santé, parce que sans la santé, nous ne pouvons rien faire, et une année de réussite, surtout pour vous, nos chers enfants. Alors, nous sommes là donc ensemble pour fêter, vous remettre vos cadeaux et ensuite vous laisser terminer la soirée avec vos camarades et nous nous irons célébrer avec les adultes. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire. Vous souhaitez à tous, à toutes, aux enfants surtout une bonne année 2022, que 2022 soit la plus belle des années que nous avons vécues jusqu'à présent. Je vous remercie de votre attention.